celle euh, porter sur euh, l'aménagement touristique autour du lac et euh, surtout l'idée phare qui ressort de ce CRD, c'est quels sont les mécanismes à mettre en œuvre pour la préservation et la promotion touristique du site euh, du lac Rose. Il s'agit d'abord de l'électrification de cette euh, euh, allée autour de 40 lampadaires, n'est-ce pas Mais également euh, le programme d'électrification solaire autour de tout le lac Rose. Au-delà de ça, il y a tout un ensemble de, diligences à faire et nous avons signé une convention avec la mairie de Tiwaon-Pelnyaga, une convention qui a pour objet de renforcer l'offre touristique au niveau du lac Rose. Je pense que, que ce soit la mairie de Tiaounpelniaga, la SAPCO, euh, le service régional du tourisme, le syndicat d'initiative et tous les acteurs autour du lac, les exploitants de sel, les populations, nous avons pris un engagement fort, n'est-ce pas, pour euh, la promotion touristique du lac, mais aussi pour sa préservation. Euh, vous savez, il y a une euh, gamme de produits qu'on peut aujourd'hui structurer autour eh, du lac. Il s'agit maintenant de voir euh, avec l'existant et avec les opportunités qui sont présentes au niveau du lac, quels sont les produits, n'est-ce pas, à proposer aux populations, aux, aux clients, puisqu'on vient au lac pour découvrir, mais aussi pour se détendre. Et il y a au départ l'encadrement du ministère du Tourisme, du ministère de l'Environnement, mais il y a aussi l'implication des acteurs, les acteurs touristiques. Je veux parler de ceux qui ont décidé de faire de l'hôtellerie et du tourisme leur métier. Il y a également les populations qui connaissent les ressources d'attractivité des terroirs et qui, euh, je pense que si tout ça est mis en symbiose, nous pouvons euh, relancer euh, l'activité touristique au, au, autour du lac euh, comité local de développement muy CLD bi ñuy def tey fii ci Lac Rose dañ ko euh, ñu am pour euh, préservation ak promotion lac bi ndaxte xam nañ ni ay touristes ñu ngi jógee bitim réew di jóge fii ci suñu dëkk di ñëw di visiter lac bi mu nekk lu am solo ci suñu koom ñu gisoon nag am na euh, ay euh, aménagement yu ñu fi waroon def pour gëna euh rafetal manam euh, nekkinu fi ci lac bi ñu tambaliko ko si courant bi manam allée bi def nañ fi 40 lampadaires pour éclairage bi ñukoy continuer si autour du lac si walu solaire buñ fa joggé tamit jël nañ fi ay engagement ñu signé fi ben contrat ñu nekk mairie ba pour am euh, ay mécanisme ñu wara def manam sapko amna lu mu wara def ci contrat bi manam si walu courant bi walu éclairage bi wala si walu aménagement allées piétonnes euh, mairie bi aussi jël fi ay engagement si walu espace vert si ay banc public, euh, ñu xool loolu euh, japp ni euh, dañu dajé pour xol yan jumtukaay lañ fi mëna euh am indi pour pour dooleel euh, le lac waaw xam ngeen euh, lac bi dafa dafa nek li tuba bi di wax compétence concurrente manam dañ ko bok boy xolé lac bi si mairie bi ñag euh peul ñag le bok mairie bi amna si compétence nga jël site touristique le ministère tourisme à travers la SAPCO amna si compétence ñu boole si aussi euh, délégation générale des pôles urbains et de du Lac Rose de Diamniadio et de Lac Rose aussi DGPU amna ci compétence légui nak dañuy xol nan lañu mëna mën pour euh ñun ñëpp ñu liggéey pour dooleel lac bi ndaxte euh, organisme yooyu yëpp si état Sénégal lañ bok état Sénégal lañuy ñuy